à tous les internautes de buzz.sn actuellement ñu ngi Walfadjri euh, Walfadjri donc euh, buñ ko waxé rek dugg ci cadre hip hop Khalid day dem ci après rap rek Planet bi hip hop donc Solji ji Fidalal, c'est fi dalal si si Walf. waaw xam nga def salam Jalis. Nakamouya un cool. Ouais, ben, comme d'habitude, hein, le nice. Hein. Ouais. Alors, ok, toujours, toujours égal à lui-même, quoi. Free, open, comme, comme on dit en anglais, open mind, <laughs> Seul dit, voilà, on va, on va retourner un peu en arrière. Parle-nous un peu de tes, de tes, de tes débuts, quoi. Euh, je vous remercie avant tout, hein, petit euh, interview Bini et aussi donc euh, les c'est la première fois que nous posons cette question bon amna na mako ma ko bon fi ci Walfadjri wa Grand Place et tout mais j'ai jamais voulu euh, parler de cela parce que amna na lu may préparé loo les si quoi mais quand même bon on va en parler un tout petit peu pas de souci bon pour parler de mes débuts mes débuts en tant qu'animateur voilà en tant qu'animateur. ok très bien bon je peux dire que. <clears throat> c'est une passion qui m'a qui m'a toujours habité Je euh, animation à faire le le vraiment j'ai toujours aimé donc avant de commencer à animer déjà euh, Meloman Laon, woon dans naa déglu bu donc euh, temps Milli Vanilli bon ni yàgg de musique dinay xam li may wax quoi ay Vanilli donc ay ay ay ay Daz effects ay easy e Public Enemy donc période boobu non déjà vraiment j'étais j'étais un, j'étais un mélomane donc boudon consommait consommer de baax tout ce qui est rap et funk tu vois donc ñom MC Hammer ñom Snow donc vraiment c'est les années 90 quoi donc période Bob non j'étais vraiment chevron comme on le dit souvent donc tu euh, sound bi et à un moment donné ma commencé di dugal ay cassette vierge n'est-ce pas Tu ay une ay ay radio temps avec ay chromé ñoo casque branché ko ci place micro bi di enregistrer sama bob. là c'était vers 91 euh, di enregistré sama Bob. affaire de noonu quoi tu di ko donc j'écoutais des des grandes radios comme RFI à l'époque donc di déglu ay émission après Dieu a la même chose quoi donc ay 91 92 donc euh, be 95 xam nga si laa commencé def sunu mobile en 95 commencé def sunu mobile xam rek boole ko ak school nag dem école su ma wàccee xam rek nekk ci sono bi sama benn grand frère moo jëndoon benn ampli xam ak ñaari baaf moom laa doon amplifier di def le DJ quoi donc comme ça petit à petit amour bi di grandir di grandir di grandir donc euh, ba bi may démarré la radio donc. Euh, en 2001 BIMEDEF terminal donc a démarré avec euh, le groupe Excav Télécom euh, euh, donc di def Radio, donc, autant c'était Radio Dunia donc di Radio, petit à petit petit à petit donc Fala Nek, Djougefe. donc Walfadjri ñëw station Atamba donc binti ñu station bob a quitté euh, le groupe Excaf Télécom dem de euh, station Walfadjiri bob donc euh, def quelque temps après jóge nous ñoom si bob donc après ils m'ont amené sur Walf Dakar donc en 2004 donc 2004 2014 ça fait 10 ans mais 10 ans il ma def ci au niveau de Dakar. C'est-à-dire que 7 ans, là, des fois, le fajiri donc le reste du temps, je l'ai fait à nostalgie. Tu vois, donc, euh, Wolf, je suis allé. Bon, je suis allé sur Paris d'abord où j'ai fait quelques temps, je suis revenu. Donc, avec euh, Nostalgie. Donc, pendant deux ans, je crois, Djugefa, un peu moins de deux ans, et je suis revenu à Wolf depuis lors, Mangi Wolf Fadjiri. Donc c'est un peu ça, quoi, pour taf quoi, pour résumer, quoi. Si je suis dans tous les détails, je sais quoi. Waouh, c'est un peu ça. Donc voilà, ben nous Green nous proposait le, euh, à la télé une émission qui s'appelle Raprec. Déjà il y avait Roman qui le faisait. Donc est-ce que c'était c'était facile, est-ce que c'était pas compliqué vu que Kenen mon déjà le concept Raprec après il y a continué Donc est-ce que c'était c'était facile au début? En fait, euh, Moko créé, je pense que c'est pas exactement cela. Roman, il faisait euh, ben jour, ben les mercredis dans le Black Label, ben rubrique, ben de rap C'est-à-dire que Jules Junior, la fois Jules Junior avec ma titre rap, on qui animé 14h, les 15h, 16h, comme ñëw ak ben kii bu tudd rap rek quoi mais bo léegi les concepts ne sont pas les mêmes affaires Beaucoup quoi déjà c'était de la radio et moi je je faisais c'est vrai que dans Black Label mais après le Black Label j'ai démarré à la télé avec une émission qui s'appelait d'abord mon euh, ma def c'était pas rap rek c'était euh, comment ça s'appelait c'était du rap américain en toute façon mais Fatina naa sax tour quoi dafa xaw yag voilà donc euh, jóge ci lool ñëw ci rap sénégalais bi avec le rap rek donc euh, c'était pas du tout facile parce que l'animateur, animateur mais xam nga quoi caméra pour tourner tourner c'est jamais facile si vous voulez tourner ben Fall caméra pour dem tourner ji sortie dans la leer ne la caméra donc en fait nous chaque fois su caméra la caméra am bu desul on se parce que après, j'ai fait trois ans de rap euh, pratiquement trois fois utilisé la caméra Walfadjri lu ci des caméra avec mes propres moyens donc euh, donc ce qui veut dire que les quatre caméras par mois me revenaient parfois à 100 000 francs à raison de 25 000 francs par location, sans compter le transport, la bouffe du caméraman et tout ce qui suit. Donc c'était pas du tout facile, pas du tout facile. Moi, j'étais obligé parfois de venir à l'antenne en dégâts directement balancer les clips et puis watch quoi. À mon polémique non seulement il avait un un problème le des problèmes avec un groupe de rap Benigno déconner et tout après il a eu un problème avec le boss Mukita il faut affaire l'air sur buzz.sn ok bon je veux te dire tout de suite que. wax nañ sax ba wax affaire euh, je sais pas moi comment affaire jënd nuñ koy waxatee dañ ko jox xaalis xaw ma pour me blancer cette vidéo tegu ko polémique xam le sénégalais mon mon lolo les les kankang c'est ça qu'ils ont dit maintenant Soulji nag jox nañ ko opportunité mu lolo si non pas gaay vraiment je vous remercie hein. li nga wax ni maa ngi koy sax loolu que ko mais quand même plus que wax nga ko aussi euh, je vais apporter des précisions ci hein. euh, déjà man je le dire hein, c'est de la vidéo ça va passer sur internet Pour rappeur boo xamante ne mos jox 100 francs pour que je te mette boo cette vidéo bi je te prie de contacter Jalis xam tu lui dis où et quand tu m'as remis de l'argent man soxluma kañ gars yi gars ko bu baax <laughs> parce que mouvement hip hop sénégalais qu'on le veuille ou pas gars a un au contraire man may invité artistes de ont fay leen seen passe leur retour xam un deuxièmement mon naa le la a ay rappeurs yoo xamante ne période boobu non ngay wax bi may man m'a financé ces vidéo tu vois donc euh, am na ñoo xam defal ñaari vidéo cent francs defuñu ko si man m'a financé lepp am na ñoo xam defal vidéo tu vois donc ak yeneen loolu yooyu jarul jarul sax ki quoi donc ça c'est je pense que c'est des conneries voilà troisièmement pour ce qui est de mon départ nee nañ euh, xawma ma xaalis problème lan lan daañu ñëw déconner ça c'est des conneries tout simplement parce que man bi wolf jógee euh j'avais des promesses. La femme a fait une prometton. Je t'ai dit tout à l'heure que euh, en trois ans de rap rek ñetti yoon laa am caméra ci Walfadjri pour dem tourner ji samay émission trois fois lu ci des que nous ko Donc la donc dama doon fayeku presque sama salaire lépp dama ko doon defal ci ay location ak ay transport Lol ben le. deuxièmement je suis allé sur Paris Yo xam nga ci dara xam nga parce que de temps en temps xam nga damay voyager dem ñëwaat Madame, dem jënd sama équipement micro perche caméra casque toute la logistique qui suit ils l'ont pris euh, yóbbu ko Touba pour ci dem ci que bi dem def fi ay tournage autre caméra bi on devait me réparer la caméra ça n'a pas été fait dami beug dem tourner ken du tourner man congé la jël j'ai pris j'ai pris mes congés en 2010 ci koor bi il était prévu que avant mon retour ni préparer la logistique dont j'ai besoin pour faire sama tournage pour que je puisse mener mon travail à bien parce que euh, soldat nous no le matériel qu'il faut tu vas au front tu te fais massacrer ça c'est clair et net donc j'ai fait comprendre aux gars que euh, ce que je sais faire le pas tant que je n'ai pas la logistique qu'il faut tu vois yomi yor micro sans ce micro là li ngay wax tu vois no aïe aïe donc bon rien n'a été fait je suis resté, j'ai le droit de rester chez moi, rare, nu règlement. Voilà quoi, l'immense là pour que je puisse mener mon travail à bien. Ça n'a pas été fait. Donc, euh, entre-temps, j'ai vu quelqu'un d'autre à l'antenne, qui émission B, euh, dans l'émission que je présentais. Alors, ça ne m'a fait ni chaud ni froid quand même, parce que moi déjà, euh, a ci doomu Adama <coughs> pour euh, pour Dundu. Lors ça de beaucoup à la quoi tu vois ce que ça fait on dépend tous du bon Dieu donc en temps je me suis je me suis barré je suis allé sur Paris donc euh, en il affaire pendant quelques mois n'est-ce pas donc je je suis revenu j'étais dans ton quartier d'ailleurs à l'unité 18 n'est-ce pas et j'ai été contacté par Nostalgie tu vois, je ne suis jamais Framarek. Voilà quoi, j'ai été contacté par Nostalgie. Jacques Ba, va certainement regarder. Mon Donc pour le jukebox international. Donc euh, s'il a des nostalgies, donc des nostalgies. Ah, je suis revenu sur Walfadri avec un nouveau projet, tu vois. Donc, euh, je pense que euh, c'est assez clair. Maintenant, Kouti Amoul colère aussi, Voilà quoi. Je euh, m'a contacté, je dina ko gëna gëna léral amul ben groupe de rap bo xamantene ñëw nañ fi de ko né nan dañ ma fay pour gi parce que ben rappeur musuma jox dërëm parce que déjà man ñi may tek en tout cas amul ku ci amul ku ma ci mëna jox luma amul lool c'est clair et net man may def ci hip hop bi ça, c'est clair et net. Wow. si quelqu'un peut prouver le contraire, qu'il vienne le prouver, je l'attends avec impatience. Je mon Je suis pas dans ça.